والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جريني أه، لغنو قرسو يقو يهرو ولا حسوس كوني ولا حماما ودوانا بيسو كهمان تننا الله كنا خير نمودا الله كنا سترا نمودا الله كنا ولا حالا ننسو نتمنى هم وسرين ولا ko ni soɗum koɗi keñagoye dijjinti i wuro killen kutum alhamdulillah o fago kille ñimmiya isasa kam nema subhanahu wa taala ati inna aradna al amanata ala alsamawati wal ard fa abayna an yahmilaha wa ashfaqa minha wa hamalaha al insan nati limana responsabilité hunga ire la na koye gidunga gelle gidunga imtinge responsable ta ke wutu kamundo wetu imtinge responsable ta ke wutu ha hada mere menni mi ani mi responsable ta mo renga na wutu oga ke menni sasa o faga mo lo responsable responsable ta mo beligo kamme ona kunya ya khimuru oni oni faga uri min sfa bi kenya sasa amna na fay nanti lomuru nya fakari ko fonta mo be sasa nanti mamani ga wuya nya ko ke be sasa ini ya hajjina na ini sura ti gollo be ni ni kam na ngai khana sigi keta ina falli fay anna nanti ke khair nya Allah ganna kenji شيخ با أبدا يغاكي بيدو يرم مكتب عليكو لعل كتكا نغسا بنا كما فراسين خلنا إن شاء الله Tout d'abord, les enfants, on vous remercie. Après Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment. Alors, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Après Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous assiste, inshallah, qu'il nous protège, qu'il nous montre la bonne voie. Alors, on veut tous réussir. On veut tous une vie normale. Qui ne veut pas avoir une vie normale Qui lève la main. Ça n'existe pas. Alors, moi, je ne vais pas parler en vide. Je vais parler. Peut-être on va vous passer le micro et vous allez parler à votre tour. Parce qu'on est là pour échanger pour échanger. On a des problèmes, on n'a pas un seul problème, on a des problèmes. Les problèmes, c'est dans deux, dans côtés. Les côtés parents et les côtés enfants. D'accord Alors, quand nous écoutons nos parents, ils disent quoi Ils disent, ouais, les enfants, ils ont des problèmes. Mais nous aussi, les enfants, on peut dire aussi, nos parents ont des problèmes. Vrai ou faux Donc, si on se réunit aujourd'hui, on parle que des problèmes des enfants. On ne sortira pas avec des outils pour construire l'avenir entre nous et nos parents. Il faut que nous aussi, les enfants, nous montrons les doigts à des problèmes de nos parents. Ok Donc on va vous passer des micros plus tard. On va dialoguer ensemble, Inch'Allah. Avant, avant ça, D'abord, on va vous, je vais vous donner des conseils. Bah, en commençant par moi-même, Inch'Allah ta'ala. Alors, tout le monde veut du bonheur. Tout le monde veut vivre normal. Tout le monde veut avoir une vie normale. Mais il y a des chemins, il y a des routes à suivre, il y a des repères à suivre. Je vais vous donner quelques étapes pour suivre cette vie normale que tout le monde veut, veut avoir. Premièrement, n'ayez pas le fonne alla kana sawaba ñogoda on ko diga mono OK, o geri lenki asababum kita lomno ku yayi lomno ku be ne gaay ya khanjinum mulla ya igam dina ya khanjinum sura baka saranu nyaho donc o gele ngi on do pa ci sekene o pa ne na sekene su aw de no ku fa hakal la nya ko ta ona sangi o do gol nya ti baka o suba gol nya tiya mama ni ngana xaaru papa ni nga xaru ina problème mo ko mu mais o xaa o be gele lomno na o xa ci na ti pay problème mo saranu xay

kati kengar ni bo gadi no ru kula ko danta to meda sira suka dang biri ni mula sira suka dang mula nan biri tranquillité angkar kan no honga an nan biri tranquillité an kan no honga nan biri tranquillité an kan suya nan de ben no hanya idan owa wa diga ko to danta to ko no sira suka na biti to ko batte so be ma ha Allah ta'ala an biri nga usru nga kitte nga masro musu khira biri batte afo fana harum remme فوقنا في أن أخونا يكون الله سبحانه وتعالى فوضع فلا كانت الله سبحانه وتعالى سأسي لبقيم يسو ذاك سي تكرم با الله سبحانه وتعالى تكون مع الدانيبال تكالك لغين جيتو مغيان سيسكم كون الله سبحانه وتعالى أن تسمني أن تفوفو سجاتة لغاية أن بدنكم يتقون نبرينا بدنا سلام مغفر Première chose, كن نكون الله سبحانه وتعالى أما نكون الله سبحانه وتعالى ألا نفلق يومنا كان ألا نبريسنا ولا كان كما كن سبحانه وتعالى سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إبينا نكون الله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى فلق من كان خير فلقوا alla ti boni folla ko wiine ko men kani ma allah subhanahu wa ta'ala gar folla ko wiine kani ambiye gasiro nan kitenga ana ngorte xey nokuya nokku ke be anga ni anga may ni duro doro ni me jiki anga may jiki na tamo ci hanga ke nokku be allah fa ga ngorte xam baga ni doni ni surprise pourquoi parce que am kon allah subhanahu wa ta'ala de ko allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets allah subhanahu wa ta'ala dit Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera une issue favorable. Et lui accordera des sons par des mois sur lesquels il ne comptait même pas. Là où tu ne comptais pas réussir, c'est là-bas que tu vas réussir. Mais à une condition, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. حديث أبي أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم أتي اتق الله حيث ما كنت نتمنى دكور الله سبحانه وتعالى أن نقول الله سبحانه وتعالى أننا نقصي حيث ما كنت واتبع سيئة حسنة تمغوها وخالق الناس بخلق حسن Ici, le prophète, alayhi salatu wa salam, dans les hadiths d'Abi Dharr, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala partout où tu te trouves. Partout où tu te trouves, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, si tu fais une bêtise, si tu fais un péché, ce que tu dois faire, il faut faire une bonne action après. Pourquoi Parce que les bonnes actions vont effacer les mauvaises actions. Vous voyez la solution à nos problèmes. Partout où tu te trouves, il faut avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu, tu tombes dans le péché, casse pas la tête, ne dis pas non, c'est foutu pour moi. Non. Cherche à faire des bonnes actions. Cette bonne action que tu vas accomplir va effacer les mauvaises actions que tu viens de faire. Voilà une solution que le prophète Ali nous donne. Troisième chose, il a dit Il faut avoir un bon comportement envers les gens. Une bonne action, une bonne action, déjà, à tauba fait partir des bonnes actions. Tu fais une mauvaise action, tu te répands tout de suite. La répentir fait partir des bonnes actions. Tu fais une, mauvaise action, répands tout de suite. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain. Parce que t'as pas. Tu ne sais pas où est-ce que demain tu seras là ou pas. wa angana ina khusu anna ko alla angana gol pure ne bari dur khoto gol sere su kan da bari gol sere kan gol pure ke burhana annan ci kun suru da kat suru idan allan kanni man funa allan kanni la budu na fil qad c'est quoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala la crainte d'Allah c'est garder la présence d'Allah pour toujours. Partout où tu te trouves, il faut être présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te cacher. Tu peux te cacher pour faire des, bêtises. Mais tu si tu te caches, tu, rentres dans, le champ, tu fermes. Mais mets dans ta tête que, attention, il est là. Il, il n'est pas absent. C'est ça qui s'appelle un taqwa la crainte d'Allah subhanahu wa Tu es toujours avec lui. Anya pitié a wéré, fonkura a wéré, anken kankane a wéré, anganya a wéré. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Aken kankane ti goy man tagane. Et là, voilà les outils à prendre avec nous pour réussir, pour avoir une vie normale, pour avoir des comportements meilleurs, dans la société. Ibn Abbas, il a dit un jour, il était derrière le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète lui a dit à Roulam, inni u'allimuka kalimatin. Kalimat. Quelques mots. Je vais t'enseigner quelques mots. Un, il a dit quoi Ihfadillah yahfazuk. أتيني ذو فارقة صلى الله عليه وسلم ابن عباس أتي فنان خي كم فان كانوا ديغان دان تانتو أن كل غني كلا أفو فنان من احفظ الله يحفظك الله تانغا أنغنا الله تانغا الله خنا تانغا كومين كتا الله تانغا نكمو إغاتنا الله تانغا أورنا أن الله جيمبو تانغا الله نيامل خنوان نسيندي أغان كبابا كوبيني غانا لا تبكي C'est-à-dire, fais attention à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va te protéger à, son, ton retour. Tu fais attention à tout ce que Allah te, Allah te demande de faire, tu fais. Tout ce que Allah t'a interdit de ne pas faire, tu laisses tomber. Fini fidèle. Junubu, Allah te le sehilma xum tikenga walakin allah subhanahu wa taala ngar dit que fini bene deɓere anga fini bene deɓere allah mbete noxo allah ntesu deɓere mais a nan fata de deɓere tu ne peux pas adorer comme allah il veut mais tu fais, là, tu fais, maximum tu donnes la capacité de toi en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Lui faire, essayer de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ce qui est de mauvaises actions, Là, ça se discute même pas, tu laisses tomber. Tout ce qui est mauvaise action, tu laisses tomber, il n'y a pas de discuter sur ça. Il a dit Fais attention à Allah et Allah va te protéger. Deuxièmement, de Fais attention à Allah et tu le trouveras devant toi, dans tes projets, dans l'avenir. Tu fais attention à Allah il va t'aider à ouvrir les portes qui, qui pour toi, c'est pas possible, c'est dur. Par, par, exemple, ceux qui font des examens, hein, ceux qui font des examens, casse pas la tête. Garde Allah subhanahu wa ta'ala ici, dans ta tête. D'accord Et Allah va faciliter le chemin, inshallah. C'est le prophète qui a dit, le prophète qui ne parle pas en vide. nanti Allah subhanahu wa ta'ala tanda anna Allah ni dukani angana Allah tanda kota su anga runa no hunga anga kanda nanti kem kota ngina runa hunga mbaka kamo ho wala hanya kamo anna kinyine kota ya na ga no na ga abbe su kita am foyo ci sa sa ta khot khote en xamna runa hunga ja ant khara khote ni wala usna wal mala man ne kenya bawna Allah subhanahu wa ta'ala nyamel xamnu ñaar ga ngi ci troisièmement إذا سألت فاسأل الله tu veux quelque chose, on va pas voir les marabouts, les féticheurs. Direct à Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas. Tu n'as même pas besoin d'acheter un crédit pour appeler. Fais tes ablutions, Allah est là. Tu fais tes ablutions, tu demandes à Allah tout ce que tu veux et il te donne. Si tu en prives, si tu te prives des choses, casse pas la tête peut dans ta tête que peut-être c'est pas bon pour moi. Parce qu'Allah même il va pas me donner des choses qui, qui, va, qui, va dé, qui va détruire ma vie. Allah va pas détruire ta vie. Donc si tu es prive des choses, c'est que c'est pas bien pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit angana ñaga ni Allah Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah en banda ñaga fukini maka bukan serta naga tan ñaga na Allah Allah Allah Allah ka kuyube ni kini serena to fi ko monta ko songa tani no higata monta lo nya ga latna ana ke no ya ni ana tire bana golle fi ana kas nya ina ma quatrièmement wa idha ista'anta fasta'in billah amna deme murni deme mur Allah subhanahu wa ta'ala quand tu demandes l'aide demande l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala voici les outils qu'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à, à Ibn Abbas donc toi et nous, nous devons acquérir ces outils pour mieux vivre sur Terre. Comme ça, on est intelligent et notre capacité d'intelligence va augmenter des tailles. Alors, il a dit aussi أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Même si le monde entier se réunit pour te donner une vie normale, par exemple, ils ne peuvent pas. Même si le monde entier vote pour toi, pour que tu deviennes président, ministre, etc., tu ne deviendras jamais ministre. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala a écrit qu'un jour tu deviendras ministre ou président ou autre chose. Alors, il a dit aussi, même si le monde entier se réunisse pour que tu ne réussisses pas dans ta vie, mais si Allah veut que tu vas réussir, tu réussiras. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hommes ne peuvent rien faire. wa salam, الله سبحانه وتعالى في الدنيا كن غير غير الله سبحانه وتعالى انت كده مع المستقبل دنا خاصو بنا كوف من انت وا يوا فوي وا بانتنا يو خير وا بانت انت كن خير كده الله سبحانه وتعالى قال انت كن خير كده ان كده حد ناس بنا بقى حد ناس بنا بقى اذا كي المقصد انا بقول ما خورني خورني انت انا سو دوتا بيتا مين انغا سيرسو انغا مقدني يعني انت خورني دوتا بيتا مين يعني on a qu'un seul ennemi les hommes qui sont sur terre ce ne sont pas nos ennemis ils sont sur des projets qui eux-mêmes ils n'arrivent même pas à expliquer on ne les appelle pas ennemis notre seul ennemi c'est Shaitan qui a juré qu'il va nous tromper et malheureusement il est en train de réussir quelque part mais faites faites-vous en sorte qu'il ne réussisse pas ici, Inch'Allah. Alors, le prophète Ali salatu wassalam, la troisième chose que je vais vous dire, c'est At-Tawakkul. Et confiance Allah subhanahu wa ta'ala. Place ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala celui qui place sa confiance sur Allah Allah lui suffira Allah lui suffira il était là depuis des siècles toujours il est là, il sera là à jamais. Toi, tu n'étais pas là, tu es là aujourd'hui, tu ne seras pas là. Et après la mort, tu seras avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, tu vas rester dans, le bonheur du ziba et au-delà. La cinquième chose que je vais vous dire, la cinquième chose que je vais vous dire, c'est as wa salat. La patience et la prière. سالي سالي سالي أنا مدة أنا دوتة ما تسبري إلا سنة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله سبحانه وتعالى nous appelle كي كي كي qui qui ont crié ou qui croyez Allah سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة et toi avec la prière si tu si tu es dans des difficultés dans des épreuves patient. Un jour viendra, cette difficulté, cette épreuve va sauter. Tu n'es pas né avec cette, cette épreuve. Et tu ne vas pas mourir avec, Inch'Allah. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, tant que toi, tu veux réussir, tu veux sortir dans cette difficulté. Si tu veux réussir, bien sûr, tu vas passer sur des solutions qui sont favorables. Mais si tu cherches des solutions qui ne sont pas utiles, d'aller consulter euh, les, les bandits là. Vous connaissez ce qui les bandits Tu sais ce qui les bandits Les mondicalos là sont des bandits. Eh oui, ils sont des. Ah ouais. Donc si tu passes par, par ces, par gens-là, ils vont te tromper, ils vont bouffer ton argent, ils vont, ils vont gaspiller ton temps et tu ne vas pas réussir. Et avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu as un cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est des, des, outils à prendre. On sait, Alhamdulillah, vous avez une association qui s'appelle Association d'Amé. Très bien. Nous espérons que vous avez des activités, ce qui est bien. Ça nous montre qu'aujourd'hui, vous nous a convoqué de venir, donc vous avez des activités. Cette activité, il faut les nourrir. Il faut les nourrir partout. Même si toi, tu n'es pas là, il faut rester connecté avec cette association. C'est toi qui as créé, tu ne dois pas laisser tomber. Des problèmes qui sont là, les solutions, c'est vous. Les solutions, c'est vous. Les solutions ne viennent pas ailleurs. Essayez de faire des, des activités qui vont vous souder, les garçons, leur activité à part. Les filles, leur activité à part. Vous avez des problèmes dans nos sociétés. Partout, on a des problèmes. Même hier, euh, j'étais, j'étais au 18e, même chose. Des réunions comme ça. On a commencé à monter des activités. Vous, vous allez vous organiser équipe par équipe. Par exemple, deux personnes ou trois personnes par équipe c'est un conseil personnel. Hein. Vous soulignez deux ou trois problèmes, par exemple. Vous soulignez deux, trois problèmes. Vous êtes quatre équipes ou trois, trois équipes. Vous divisez ces, problèmes, ces, thèmes entre les équipes. Chacun va chercher à son côté quelles sont les solutions de ces problèmes. Pourquoi normalement nous dit, toujours, c'est nous les problèmes. On a fait quoi Qu'est-ce que notre problème vous, vous, essayez de, vous essayerez de, de, consulter entre vous, de tirer des solutions. Les solutions que vous trouverez, vous soulignez et vous allez voir les moments aussi. Pas en scène, une scène, hein, deux, trois moments. Chacune d'entre eux, il va, elle va dire sa version sur les faits. Comme ça, vous allez avoir des idées. Et après ça, vous allez, vous allez continuer à monter des activités qui vont nourrir ces activités récentes. Les enfants qui, qui sont à, à bas âge, qui sont au collège, vous, vous, qui sont à l'université ou au lycée, vous pouvez les aider à faire ces, ces devoirs. Mais ces activités en place. Parce que vous savez, les moments euh, où les papas, malheureusement, ils ne savent pas ni lire ni écrire, ben, s'ils demandent l'enfant de, faire ses devoirs ou de réviser, peut-être l'enfant va dire n'importe quoi et le maman ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Donc vous, il faut que vous donnez un coup de main à ces enfants-là pour les aider à faire leurs devoirs. C'est important. D'accord Alors, on va passer le micro. On va passer le micro, oui ou non Très bien. Avant, qu'on passe le micro, on a quelques questions ici que euh, on va essayer de répondre. Euh, en fait, il y a euh, quelqu'un qui demande la question c'est quoi la différence entre verset et sorat. Qui peut répondre euh, à cette question euh, Quelque chose de dans dit Aya. On va dire Aya. On Aya, Arosora. Mani différent du domaine. Donc, on veut qu'un enfant. Euh, qui, peut répondre à cette question Qui connaît la réponse C'est quoi une, c'est une sourate et c'est quoi une, euh, un verset vous connaissez ben Oui. Oui, bien sûr que vous connaissez. Qui Qui peut répondre à ça Personne Donc, euh, comme les temps, ne reste pas beaucoup de temps, euh, la différence entre un surah et euh, une versée... vous connaissez le Coran le Coran, c'est le livre complet. Dans ce livre, il y a des chapitres. C'est ça qu'on appelle Sorat. Donc il y a 114 chapitres dans le Coran. Mais dans chaque chapitre, il y a des petits, petits parties. C'est ça qu'on appelle versets. C'est des paroles qui commence là, c'est comme si on dit une phrase en fait. Des fois, ça peut être long. Et, vous voyez, ça, c'est une sourate. Par exemple, si je prends sourate nasr il va à Nasrullah, c'est une chapitre. Mais à l'intérieur, on a trois versets. ça c'est une verset et wa là Ça, c'est le deuxième verset. Troisième verset, c'est jusqu'à la fin. on s'applique wa astaghfir. Donc, dans le Coran, il y a 114 surahs. Il y a 114 chapitres. Dans chaque chapitre, il y a beaucoup de versets qui parlent de trois versets, le minimum, c'est trois versets jusqu'à 286 versets dans les surah la plus longue du Coran qui est surah al-Baqarah, 286 versets. Euh, comme on vient de citer, tout ça c'est les trois versets. Il n'y a pas un minimum de trois versets. Là vous avez compris la différence entre surah et le verset. Donc Maintenant, la deuxième question. C'est une question très importante. La personne a, a écrit si on, a un parent qui... si on a un parent qui ment, qu'est-ce qu'il faut faire <laughs> Maman la la vous. Donc, si gella gana ni sarna go magaga. On a mani d'abord. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a dit les parents, c'est les premières écoles des enfants. Si les parents, ils mentent devant les enfants, les enfants, ils savent que mon, père ou ma mère est mort. Est-ce que ces parents-là, ils peuvent dire à son fils ou à sa fille de ne pas mentir Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Les parents, soyez exemple pour vos enfants. Soyez exemple pour vos enfants. Vous êtes des miroirs de vos enfants. Il suffit de dire à ton enfant, par exemple, quelqu'un m'appelle au téléphone. Tu dis à ton enfant, dis que je ne suis pas là. T'as menti ou t'as pas menti Donc, non seulement toi t'as menti, et tu as poussé

manke ñimira lemino ñime pusena wara gare nga manake lawtin kenna maga gara telefon na sode a mpaba utu tintaye tintaye non seulement ñimme gara anda lemine nga wara gare kumanake kenganara gana hoho kan kendana c'est pour cela eh, oka ko gara ko tahane ko gana tona problème no kunjaga la mata sune me ako gabe bazin na sarno koy basi chuna sarno boy kalo le mun nan diga qalo le mun nan masala anke le me anina qarada batia anke la qaram ndio akaranga dana anke ma qaram ndio akaranga dana anina mpaya anke ga bolle be dabar anke ngarana manke na bolle buru nyade bar na le menya re makuma anke da qaram ndio ayahini anke ma qaram ndio ayahini ani utula batia sur ce carburant, pratiquement. Ancar nang negar, ancar nang negar. Kurang kata Allah Subhanahu Wa Taala ayam. Oga bi ayat kibe oga da muhadara nyaka ma alga lenga wa in jahadaka ala an tushrikani ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma Allah da shirku nya kono hilla kape nya kono gelli ganan forse ganan dundu do goto nya kam makura na nya hilla kappane maga dune alla mbace chuar na no gonde kan parce que alla kuce chuar na no gonde kan parce que hilla kappe nya su kana tebo anta na na ga na maga ga da bate angara tubira kebe nan tancar nan kebe ko na na nya kono ancar nan to munka na kebe sala kutai sar nanti to munka da kebe sala kutai ancar nan nan ngara gara jimpa ba ma nan jikenga tende ona kisa depuis bare iga ko na ju umar bin khattab akiyema umar bin khattab gani khalifa nawo ala bakku hilli dabari ala banen dabar urondi ala banen dabar kiyendi kuba ku hillisu isunya le sokore lakini ummatono meoga mulana nuguke be utunako kenya agada bakke be dabar kiyen nogoni kiyen te waye sababu da ngani senge mbaya te umar bulu khataga bugu aga kamana nyala aga kamana nyala ana wuru ana ro kete srahuma anda girke ana wuru ana kete srahuma agani kanu karam donc awu unte ke adaga sigi kai go srahuma aga sikika ke srahunga aga ni itanu muradi atronga sare ne nan lemme lem lemme kati mu to na jinka hayana daga ga kulo alaga lemme timma e eh, anke mat nan ti umar bin khattab do o oh, kaba jambai e eh, at umar bin khattab na dore ni saya ne to lemme timma gelu umar bin khattab ya ga do ya umar bin khattab kamanya ga ngoy kenga Allah subhanahu Ah, umar bin khattab ga ke tiga me amudi lemine ke kanu koy allah saga ke niga kanu koy ahani ga kanu umar koy umar dala bate waqti so umar dala bate waqti so an kana ro otokurutun nogondi aga daga ñana nongani an ke ngana tan nan kanu aga daga ke ayisu awa kitana kotoy mais kanu an ñimme vi ke ngana dangi vitesse kei akati kene maka kanukengenge konsekansi kanuke ni ngana gara konsekansi begindo Sama samara ndala ke mutu bakinga samara ke gare na kama ga ma garu do gare didabate umar bin khattab ga kiyamu agada ga di kelle nyagare be ga kanu alla ya gara alla ne tukunda gati fo ire munna yariya diga men be wonda ma kolle daga bugu kendiya umar bin abdul aziz akis marini daga ni umar bin abdul aziz ya kebe ga telemon tinga hara telemon ta katina hari tunga ga mai dole kamisa daga a ah, telemon ta sabu daga donc jabu bega kenga kenya maga tokki dan car namba tenga gare di bira kega ga bangan dengan ini tanda gare ya ga solusi solusi itu mana sema kan, kan? Kuyuh s i Mandak macam ada wala tawa a n j i n g y a Angana ta ma m anchanga r a ngam so n k o r a so ta na ma anchanga r a uya ma n d i ne ya me kenta kenta rezudu umare t a l a umare da wa b e t a l a da l a kenta k e na kama amaka yo anda ni pachi amma ngar anda ga ko anda ga na sikira ma e ma ko ga ni na mo ke be ne ki mama chimo On dit pas ça, on ne dit pas ça. Jamais on dit ça. Non. Tu dis soit, maman, c'est moi qui n'ai pas compris ce que tu veux dire, tu essaies de, de, lui faire comprendre que ce qu'elle a dit, ce n'est pas vrai, mais sans dire cache. C'est-à-dire, maman, tu mens Non, ce n'est pas vrai. Quand tu dis à ta mère ou à ton père, c'est pas vrai, ça veut dire que tu as dit, tu mens. Ce qu'elle a dit, c'est pas vrai, ça veut dire quoi Ce qu'elle a dit, c'est faux, tu mens. On ne dit pas ça à sa maman, ni à son père. On essaie de le faire comprendre que les mensonges, c'est pas bien. Sans aller droit au but pour dire à, ses parents, un tu mens. Mais on dit aux parents, ne demande pas mentir. C'est pas par la crainte des enfants ou par ça, c'est par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a interdit de mentir. La troisième question, les enfants confient. Dans la maison, c'est-à-dire, je suis perdu dans la maison à cause de, quoi De conflits entre mes parents. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation aujourd'hui. Malheureusement. Les gens, ils perdent, ils s'enquillent. Ils ne savent pas de barbe. Ils la savent Ça a rien à voir avec quand nous, a dit Je suis perdu dans la maison, il y a une maison qui est en train de se faire Quand nous avons dit Mani Sabu Dangani, il m'a dit Haba Gantakef. Il m'a dit Haba Gantakef. Owa oh, kono conseil nous avons dit Hara Ganani Hogando Anya Kendo Menara. D'où le retour, à la tout le retour, à la tout le retour. Les mots qu'on m'a beaucoup à manquer de mes élèves. M'a Kenka, les mots jolis. maga ɲaken logolle munu joni maga ɲaken katule munu joni aga kunna gira kana sigitime an ken nagiri an na sigiti an kine an na jigamu ko an kina lagana an ken lahiya an nan ke le ɲagala negi kina daro an ken an kina logona joni anke na ñaqe ñana ke ñangal haaladi anke na ñaqen logo ke moxode anke la yalla ñigongala yaare kitabongale ken na ken doro subhanallah awa lemunum mbugumana kanun ji aw babe go bahayke akko ji go hayke sarno daggemme kan no on sarno daggemme non solma ijem mambala umma khimbe imen bare do menaha ila conséquence po gore mutuna sawle mun kam kulle mun rawata mun kan dikamo angen do ke kinen ta gembe aw kun ta meji kan kan ne tel dal angen ta kinen tel ka kinen ta angen tel dal nyamar yen ta ken no wona aw kun ta aw kun na kulle wona nyamar angen ngana ti debele na daga ki makan di wona shi ka kan ken na daga min daga min me agana ni aw kun billi aw suwa gembu har kun bale habe ki ngana ti lemmen da ke da bari anken datna rangani maga daban yelle hala ngana tunanti habe ngara warake anda ka wande ngana habe ke konsa ya hande ya nka habe na tike daban ngana ti maga daban ha an ka sa kenta nyala kun kenni de zeydo limo nya do mena me ala ibn durun do mena ba mankani awasarno lemunum perdiem pankam kabe fakiya ile ki problem be go imelu do mena ga yakun no gondi oda kendangi ndo imelu kamma moga kala lemuruna allah ban no jema shafala Euh, je continue à donner des conseils sur la quatrième, euh, question. Oui, euh, dernière question. je suis perdu dans la maison à cause du conflit entre, entre mes parents. Par exemple, s'il y a un embrouille entre vos parents, la personne m'écoute. Il ne faut pas essayer de rentrer entre les deux D'accord Essayez plutôt d'appeler les voisins. Bah, il y a la grande D'accord Ou appeler l'un de tes tontons ou tes tantes. Ils vont venir parler. La seule solution que tu peux faire, c'est ça. Rentre pas entre eux pour défendre euh, l'un contre l'autre. C'est tes parents, tu dois respecter les deux en même temps. D'accord elle n'essaye pas de dire, oui, c'est maman qui a raison, non, bon, c'est papa qui a raison. Dis pas ça. C'est pas ton rôle. Ça, c'est pas ton rôle. Toi, ton rôle, c'est de les écouter et de les obéir. Mais pas, les, pas dans les, dans les, dans sens. C'est-à-dire, si il te demande de faire des choses qui ne vont pas, va pas dans la religion, ne fait pas comme un cher vient de dire. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, euh, si tes parents, l'un des parents ment, soit maman ou papa, il y a une manière, il a une manière de dialoguer, il y a une manière de discuter, il y a une manière de véhiculer les messages. Si c'était un frère ou une sœur, ben je dis, ben, frère, tu mens. C'est pas ça, c'est vrai, D'accord Mais avec maman, tu ne peux pas dire ça. D'accord par exemple, elle t'a envoyé, si ta mère t'a envoyé d'acheter quelque chose ou elle, te dit non, t'as pas acheté. Tu dis oui, maman, j'ai acheté. Ça, c'est pas mentir. Elle veut voir, elle, veut la preuve qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a demandé. Montre-lui la preuve. Si tu demandes de faire quelque chose, tu lui t'as fait, elle dit non, t'as pas fait. Montre-lui la preuve. Si tu as bien fait, bien sûr. Mais si c'est des mensonges, ben, dis pas maman, t'as menti, comme euh, cher vient de dire tout à l'heure. dis maman, non, ce que as dit, c'est pas ça, c'est ça. Montre-lui ce qui est la vérité. Avec, il y avait, avait un séminaire que j'avais assisté. Bon, ce ne sont pas des musulmans. Hein. Pour eux, de dire, papa, t'as menti, c'est-à-dire, c'est pas, c'est pas un problème. Parce que pour eux, il y a deux choses. Il y a la vérité et il y a, les mensonges. Soit, soit tu as du vrai, soit tu as menti. Donc si une personne te dit tu as menti, ça ne doit pas te blesser. C'est un sociologue qui m'a dit ça. Ça ne doit pas te blesser. Tu dois écouter. Oui, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est la vérité alors Tu cherches la vérité. Si tu es vérité, bien sûr, tu cherches la vérité. Donc, le moment tu suis la vérité et tu as ignoré, tu es resté sur le mensonge, c'est là que tu es en menteur. D'accord Mais par exemple, il y a, quelque chose qui s'est présenté devant toi. Tu as interprété. Bah, j'ai interprété, j'ai interprété mal. Par exemple, je vois ça, j'ai dit, ah, c'est Morito qui est détendu. Pour moi, c'est Morito. Tu dis non, c'est l'eau. J'ai dis non, c'est morito. as goûté. Tu vas dire, j'ai menti. J'ai dit, goûte toi-même. Je goûte. J'ai trouvé, c'est pas le goût de morito. C'est le goût de l'eau. J'ai dit, ben, moi, j'ai dit, l'eau, c'est l'eau. Ah là, maintenant, j'exagère. J'ai trouvé que l'eau, mais, parce que la première fois, j'ai dit l'eau, je n'ai pas, abandonné pas mon idée, mon interprétation. J'ai trouvé que c'est l'autre. J'ai dit non, la première fois, j'ai dit Morito, j'ai resté hein, c'est Morito, Morito. Alors même si c'est pas Morito, c'est bon. Là, j'ai menti. Vous avez vu Souvent, nos parents ou euh, nos, nos, frères, nos sœurs, ils disent des choses, mais montre-le. Peut-être pour, pour la personne, c'est ça, c'est la vérité. Mais montre-lui que non, c'est pas ça, c'est ça. Il est là la preuve. S'il n'arrive pas s'il ne veut pas, voilà, s'il ne veut pas suivre la vérité, dans ce cas, c'est un mensonge. D'accord Oui. Ça, Désolé. Désolé. Fini fili wona wona kuntu dono. Euh, On ko fana ke nanti lomnu une activité de ben. Donc ça là lo sunan dul khoto. On a sigi dibaté. Fo khoro ko sa de mata mangale de ben su su ko men nane ne susukuhme c'est pas possible quartier ke que neke sukuhmene hasu c'est pas possible han so dantan tuwa wutu ina golle njomba gollu peni iga batten toko gollu peni ga lumunu kiñan meya activité be ga lumunu kina hagat lumunu peni i xottin tongeni lumunu peni ga golle lebere igraw sefene igrawa lumunu katme har kuña sagrana haraneya fillo sikkona xato kunna golle njomba par exemple fana ñen ko nanti ina temu soisi xaso suiga sefena kamna تموكي لكن سوسيكي ولا خسرنا غادي كيما بون سوسيكي ولا خسرنا غادي إغناي لي بانا سودي من جانينا بانا سودي من جانينا كيما نيا ترينكان دانا تعرف تافنا تافيلا أي ترينك تاسيكاني ألا تمين كما أكابو جماعة خنا تهاتي مكيني نانكارا لغا أبوردي وبيا هاني لون إيكي بنو نانكارا لغا أبوردي إذا خرم ما خنده خميه سأتيب أم ما خنده خميه قلونكارا sila suka do an na loyi men dugolle association c'est euh, c'est un arme en fait pour combattre des mal dans la société haro yimo tugundu de Dakar va au bled aw aw fini gars igatin fete le munu be daga sina hakku yana fete mahamana be daga on se le ils ont des rôles à jouer dans la société vous savez c'est quoi les rôles ben c'est... si sobe ne ba pas igana ils khokone ngore bêtise de beri ils vont ils vont ils vont tabasser parce que c'est leur rôle chacun a un rôle une responsabilité dans la société donc c'est cela qu'on dit responsabilité la gana accompli En association il faut pourquoi cette association qu'est-ce que je fous dans cette association il a ilangana anguroti ibrahima anguroti demba anguroti samba samba Gantier, kota so an kanteria mais quand allah subhanahu wa taala khalisan liwajhillah même si tout le monde n'est pas là tant que l'association est là tu es toujours là parce que tu défends une cause qui est noble vous avez compris donc rejoignez rejoignons nous nous tous cette association Inch'Allah ça va être bénéfique pour nous c'est pas parce que moi j'habite à Paris, toi tu es 93, toi tu es 95, qu'on ne peut pas travailler ensemble, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont à Paris, ils travaillent avec euh, des Chinois en Chine, ils travaillent avec des Arabes en Dubaï. Donc pourquoi pas nous L'après, on est là, on, a quitté Paris. On est là. Donc vous aussi, peut-être, Inch'Allah, un jour viendra, on va vous inviter, à ce Association d'Amé, venez à Paris, on a une activité, comme ça, on va changer des idées et des expériences. Ce que vous avez, vous nous dites et on va échanger entre nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous ça Ouais. Comme euh, Cher vient de dire, c'est très important. Il faut aussi savoir que chaque personne est utile dans la société. Personne n'est inutile. Euh, l'un de nos professeurs il nous a dit, un jour, il a dit, il faut qu'on considère chaque personne de la société comme une brique. Si manque à la construction, on n'appelle pas une construction. Il nous a donné un exemple concret ce jour-là. Il y avait la machine à café. Euh, vous connaissez la machine à café qu'on met 20 centimes, 50 ou 1 euro. Il a dit si je demande aujourd'hui qui peut me donner de l'argent pour acheter un café dans notre conscience, on, on, pense que la personne qui a beaucoup de l'argent, c'est lui qui est utile ce jour-là. Alors que ce jour-là, lui, il a que des billets de, euros, 10 euros, 20 euros. Il a que ça dans la poche. Même s'il a 1000 euros dans la poche ce jour-là, il ne sera pas utile. La personne qui sera utile ce jour-là, c'est lui qui a 20 centimes. Donc, il faut donner chacun sa place. Tout le monde est utile dans la construction de la société. La société commence par les parents, les enfants, ainsi de suite. Donc pour construire cette société-là, il faut qu'on donne chacun sa place, chacun assume sa responsabilité. Les parents ils devaient assumer leur responsabilité et les enfants aussi. Il faut assumer leur responsabilité. Comme cher frère il a dit, il faut qu'on soit tout le temps exemple. Par exemple, Grigny ici, on a créé cette association. Le but, c'est quoi Le but de sensibiliser nos frères, nos sœurs, qu'on se donne la main, qu'on travaille ensemble, qu'on avance ensemble. Vous allez voir les quartiers qui sont aux alentours. Et ils vont entendre ça, comment Grigny ils ont fait. Euh, à chaque fois, ils font des sorties, ils font des sports, ils font ça, ils font ça. Franchement, c'est bien là-bas. Ils vont faire la même chose. Ils vont même vous demander l'expérience. Ce jour-là, ça se trouve que c'est le petit petit d'entre nous qui va leur expliquer. Nous, on a commencé comme ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc, chacun a sa place dans la société. C'est avec ça qu'on peut construire une bonne société. Mais si on écarte les enfants de, de la société, on les met à gare, on les met à côté. On dit, ben, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas votre mot à dire. Donc, comment on va construire que, que les papas qui sont là, ils sont à la retraite. Des fois, ça peut arriver qu'on veut faire quelque chose qui demande physiquement et ils ne peuvent pas le faire. C'est ce jour-là qu'ils vont penser à qui Ils vont penser aux enfants. Alors qu'ils avaient mis à côté. Les enfants aussi, un jour ils peuvent faire quelque chose, ils veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas comment faire C'est ce jour-là qu'ils vont penser aussi aux parents. C'est pour ça qu'on dit toujours ensemble pour considérer une meilleure avenir pour nos enfants. ok, euh, cher, il a dit, il a une question, c'est lui qui répond, il aura 20 euros. Avant cela, on va remercier notre frère euh, Lamine Kamala, apparemment c'est l'adjoint des maires. C'est lui qui a fait les démarches pour trouver cette salle, lui qui aussi qui a fait les démarches pour le nourriture, que tout ce qu'on a à manger, alhamdulillah, boire, Masha'Allah, on le remercie qu'Allah lui récompense, Inch'Allah. Que aussi on les regarde comme un exemple et qu'on les suit, Inch'Allah. Donc, cher, euh, ta question, est-ce que moi je peux participer Les enfants, les enfants, les enfants. D'âge de 6 ans vers. Combien 14. 14. Combien 15. 15 d'accord. On donne le micro. Qui va commencer Non, non, non, vous, vous venez de, vous venez de Paris. Vous êtes des 95. Viens. Non, non, Grigny, c'est quand Grigny, Grigny. Hein ah, 91 ah, Ouais. Toi, 91. Grigny, viens. Une seule question. Ah. Non. Ah hein. Tu t'appelles comment Ok, Osman. La question est la suivante. T'as quel âge Il a perdu. Je sais qu'il a perdu. Qui d'autre Ah ouais, vous avez eu peur, hein Regardez, ils ont eu peur. Wesh Vous avez peur Il a dit il a 11 ans, il n'a pas 11 ans, je sais. Il a dit il a combien 15 ans 11 ans Ben non, tu t'as pas 11 ans, je sais, t'as pas 11 ans. Oui, qui Les filles, derrière. tu t'appelles comment Youssouf. Très bien, Youssouf. Youssouf, t'as quel âge J'en ai 8. Waouh Non, t'as pas 8 ans. T'as perdu. Quoi Les grands. Allez, les grands, 30 euros. Jérôme Quoi Quoi Ministre Non. Ah ouais Oui, derrière Eva. 30 euros Papa. Papa. Tu t'appelles comment Fatoumata. Fatoumata. Écoutons Fatoumata, euh, s'il vous plaît. Fatoumata, t'as quel âge 13 ans. T'as 13 ans Non. Elle n'a pas 13 ans. Tu t'appelles comment Soumeya. Comment Soumeya. Soumeya. Très bien. Soumeya, t'as quel âge J'ai 11 ans. Non, t'as pas 11 T'as perdu. T'as perdu, t'as perdu. Oui Bien, bien. Écoutons, écoutons ici d'abord. Tu t'appelles comment Ladji. Écoutons Ladji, s'il vous plaît. Ladji, t'as quel âge Moi, j'ai 10 ans. T'as 10 ans Non, t'as pas 10 ans. <laughs> Oui, tu t'appelles comment Koudjé. Koudjé Très bien. Koudjé, t'as quel âge Tamudo Hilo. Tamudo Hilo. Maintenant, t'as pas ta mot de ville Ah, vous croyez que c'est son Bon, écoutons. 50 euros. 50 balles. Ok, ok, c'est bon. Une seule personne et ça suffit. Oui, ah, oui. Tu t'appelles comment Fatoumata. Fatimata. Très bien. T'as quel âge On n'a pas le droit de dire son âge. Comment ça, on n'a pas le droit Dans l'islam. Ah ouais Ouais. T'as entendu ça où J'ai écouté des prêches et j'ai entendu ça. Non. T'as pas d'âge ou pas Si, j'ai un âge. Ben, vas-y, dis. Oui dis, tu connais ou pas Donc tu connais. Alors c'est faux. Alors je vais, je vais répondre. Par exemple, écoutez, par exemple, euh, l'a dit L'a dit Bien. Écoutons, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Par exemple, l'adi qui est là. Par exemple, l'adi qui est là. Il a 50 euros. Il est parti, à, il est parti dans Carrefour. Il a dépensé 45 euros. D'accord Donc maintenant, l'adi, il a combien ah, bravo, là vous avez répondu. Hein. Il avait 50 euros. Il a dépensé 45 euros. Là maintenant, il a combien euros. Très bien. Tu t'appelles comment, Ladi Ladi Oui, euh, tu t'appelles Ladi. Par exemple, Ladi va vivre 100 ans, Inch'Allah. D'accord Le jour les années qu'il a vécues, il connaît, mais les jours restants, il ne connaît pas. Donc, il ne connaît pas son âge. Hein. Personne ne connaît son âge. Personne ne connaît son âge. Ça n'existe pas. L'âge qui a vécu, tu connais, mais tu ne connais pas ton âge. Vous avez compris Les jours que tu as vécu, ce n'est plus à toi. Tu l'as perdu, ce n'est plus à toi. Les jours qui, restent, c'est à toi, mais c'est combien Tu ne sais pas. Donc on ne peut pas dire j'ai 10 ans, j'ai 15 ans. Tu T'as pas 10 ans, tu t'as pas 15 ans. Tu as perdu 10 ans. Tu as perdu 15 ans. Vous avez compris Vous avez compris ou pas Donc les 10 ans qui est passé, t'as pas Dis pas j'ai 10 ans. T'as pas 10 ans. Ah ouais. Vous avez compris Parce que dans votre langue, vous dites, euh, euh, comment ça fait J'ai, ça veut dire quoi Pronom possessif. C'est-à-dire, tu possèdes quelque chose, tu dis j'ai. Tu l'as pas. Tu l'as perdu. Donc, si on va dans le centre de chair, et pourquoi on fête l'anniversaire hein? Est-ce que quelqu'un fête s'il a perdu quelque chose Ah oui, j'ai perdu maman, j'ai fait la fête qui fait ça Ah, j'ai 50 euros, j'ai perdu 10 euros, ah, il faut que je te la fasse. Qui fait ça donc pourquoi on, dit j'ai 10 ans Comme lui, là, on n'a pas 10 ans, on a perdu 10 ans. Pourquoi on fait ça alors Ça n'a pas de sens. Vous avez compris ou pas Quand là, nous fait comment

ces trois jours. tout Ce monde, c'est trois jours. Vous connaissez ces jours Hier, aujourd'hui, et demain. Hier, il est passé, il ne viendra plus jamais. Plus jamais. Aujourd'hui, qui t'appartient Tu ne sais pas si tu vas avoir demain. Qui c'est qu'il va avoir demain Tu lèves la main. طيب ان شاء الله بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيرسون نواري وقتي كينيا سلوغتي نيا وارن سلوغا باسين الله ليري ميتانجي قال الحمد لله رب العالمين وحسن كبن غدو كندو oy mere me oy mere me nyanya sababu wa oy mesa de me kini nyagale wona ngani na koyna tole men me aha assemblée no wonde aga kanan ka wundi agina sababo wala rekita kene nyaga ya ko lo sulangani ewa kene tekta pour mo su ko mandela personal courage mutum la grinye to mo go antina no sele tre me ta grinye makani antina grinye santira no mana tege wallahi sulu sunna yere sere sungene yere ha hogu lentu le munye sere tiru le munye barikanta le munye wala nyaga na ngana kibe ka hoje kabara hala ga do kubele ga tukube do manyare kada ga kare wala wala da ga batenga sika nyanda anga ta nan karado jama'a batenga e keso hai hata dunyo dala na keso hai sanga na keso allegele keso kunwara hajun tani ka kontina ga da hala kibe ko ga da ga ngaro nyaga ta ga islami nyiramuga ko jaga ta ga yesre no nyali ta salama ko ngala haluma wala nyaga na alla ga na saro no tuka mo mati kadiya ala saro no nyanga ke kamale aga da ga manu ngal ke kama ga ga haba no ngal ke kama porno duro te nyawo ko wakati wakati manya te ne ha wakati manya te wala nyaga na alla na saro na mama ka alla ga na saro na mama ka wakati ngine o papa ngere onara kinai ana duwa nyongo dangani ana duwa nyongo da hajin tenga duwa nyongo sa amma ga ni tigamen ka bondi an tola tar na banke da do hajin tin na kiyaye korono ha ba tilinga assalamu alaikum fasini na jama'a mama ni ku ku bere gari to ke be gi ba imeri potra ko ko ma to ke le iri ke khafina ni amana ku ma sen ni ala au sana ana ma rote ala no ma bo o da ga hada na ala ga na hatu ta ke na o pe bo kule be ko ma e gini nge o gini e an puta pe ro no ka nge le ya o tumia sa e e je na p o joli en il on ne pouvait au On les prêtait les maires de c'est le même du monde, le même du monde. Pour qu'il y ait péché. Mais maire, il les Grinois, au Et les Grinois, les Parce que, il y association, restauration, rôle. very, very ancho. Il pegna sini. O kuma ele sempre cantou. E não tem pouco isso, tá pelo básico. Esse cara morou na corte de Brana Nama. E não tinha nada que ver com ele. E não era a raça como ele. Hadida no pelo isso, não abula guia o que ele ganha aqui. Many population não quer ver. Ilusão show. Diga que diga no livro de Roma, não era isso.

mafico tekali mwenyewe dialogue proche vimela proche vimela ibu na mboko na mshe mke kuna oya abu o do na kala ala kana kana kana kaga kuma kita ala kana kana lomu kwa lomu ala kana ya sahan doi ina ka yakuma ya kana ala kana yakuma shoni ya ne kan ibu na kibema ala kana 겨울에는 겨울에 그림을 썼었는데 제가 그사기에 감사하고 믿을 것도 되게 되는 네, 깨끗이 그냥 그렇고요. 왠지 본투로 가다가 맞고 가다가 사실 고라스를 제가 아까 전에 아까 너무 기름만 나지 세포나 하는 중이에요. 뭐 하다가 되게 되잖아요. 그래서 보고 m o r application xamul yow ay na ko ne naan application la wér de kii mais ndax ni le mo ko ndax tam mo sa ni ko ko ko ko pura ko an kila kati ne ngena na ri kati ni na ko sa ma ni ku na ha ta ko no ko ta ni ma ni ta ni ma ma ka mo ko ko sa ni yo ko na ni ma ni yo ko ko na ni de ni ma ni ku de ni lo ko ko la ta ko ni sa ni ya ni yo ko ni na ni